le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Messieurs, dames, bonsoir. Nous sommes vendredi 1er novembre 2019. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine avec euh, les confrères des médias de la place. Il s'agit de El Haj Suleiman Mahamadou du journal en ligne euh, Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir. Bonsoir, Et Hassan Bouka de la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Actualité oblige, nous allons ouvrir ce forum avec euh, l'attaque dans la nuit du 29 au 30 octobre de la position militaire de Bilabrim dans la région de Difa. 12 militaires ont été tués et 8 autres blessés selon le communiqué du ministère nigérien de la Défense. Ensuite, nous allons parler de la situation humanitaire au Niger, notamment la réponse, la réponse euh, humanitaire des différents acteurs. Nous aborderons aussi la question de la gratuité des soins qui ne seraient pas effectifs dans les centres de santé intégrés dans les différentes localités du Niger. À la modération, Rayle Tsoumana. 12 soldats nigériens ont été tués et 8 autres blessés lors d'une attaque terroriste dans la nuit de mardi à mercredi. Ce sont les militaires de Bilabrim à une quarantaine de kilomètres à l'est de Ngingimi qui ont été ciblés dans cette région de Difa. Selon un communiqué du ministère de la Défense, les assaillants sont très probablement du groupe Boko Haram. Je commence par vous, euh, Hassan Bokar. Comment comprendre cette incursion pendant que la barrière naturelle euh, qu'est la Koumadougou-Yobé connaît une crue exceptionnelle qui d'ailleurs a touché une dizaine de milliers de personnes euh, ces dernières semaines dans cette région du lac Tchad Merci beaucoup. Bonsoir. Mhm, bonsoir. Alors, euh, évidemment, on peut se poser cette question, mais je pense qu'à DIFA, les gens ne se posent pas la question. Hein. Je pense que pour les gens de DIFA, ces assaillants sont aussi sur le territoire nigérien, notamment dans le lit du lac Tchad. Et donc, euh, ils se déplacent, euh, ils sont déjà sur le territoire nigérien. C'est pour ça qu'ils peuvent facilement mener des opérations dans des camps militaires installés en bordure du lac Tchad. Quand vous parlez de Blabirine, euh, à une quarantaine de kilomètres de Guigimi, on n'est pas loin en fait euh, du lit du lac Tchad. On est là vraiment dans le lit du lac Tchad et donc ils peuvent facilement venir mener des attaques. Je pense que euh, la présence euh, de ces groupes terroristes est, bien connue hein, dans la région de Dufa. Je pense que sont, euh, le fait qu'ils arrivent à faire facilement des attaques montre qu'ils sont pas loin, c'est ce que les gens pensent. Ils sont probablement dans les îles du lac Tchad, partie nigérienne. Donc l'idée selon laquelle il serait au Nigeria et qu'ils traversent la Comadougou pour venir euh, au Niger, je crois que c'est une idée qui est totalement dépassée. Mhm. Ces gens ont la possibilité de s'installer à la fois sur le territoire nigérien. Au Ils sont des deux côtés, au fait. Ils sont des deux côtés, euh, donc euh, de, au pays des quatre, hein, que ce soit de la partie tchadienne ou camerounaise, je pense qu'ils sont dans les îles du lac Tchad, ce qui leur donne des facilités des opérations. ils peuvent attaquer euh, récemment, ils ont fait des attaques au, au Cameroun, ils l'ont fait au Nigeria, ils peuvent faire au Niger. Donc finalement, ils ont une liberté de circulation dans cette zone, autour du lac Tchad, ce qui fait qu'ils peuvent mener facilement des attaques. Donc, euh, euh faut pas que les gens pensent qu'ils sont toujours au Nigeria. C'est vrai que l'origine c'est le Nigeria, mais aujourd'hui je pense que euh, ils sont un peu partout autour du lac Tchad et c'est pour ça qu'ils peuvent mener des opérations. Donc, euh, le lac Tchad et la Koumadougou Yobé ne leur empêchent en rien de faire leur incursion. c'est-à-dire que si les gens pensent qu'ils sont sur l'autre rive de la Koumadougou cela suppose qu'il leur faut traverser la commande Mais de lors qu'ils sont des parts et d'autres mais aussi euh, de la même euh, c'est-à-dire que quand on parle de cette euh, question de traverser la Comadougou, mhm. on voit des gens qui se déplacent avec du matériel lourd, du matériel de guerre qu'il faut transporter donc en traversant. Donc, d'aucuns disent qu'ils ont déjà fait traverser le matériel avant la crue, euh, c'est ce qu'on entend sur les réseaux sociaux notamment. Mais aussi des gens qui arrivent, qui se déplacent juste avec une arme et peut-être tout au plus une moto, mhm. c'est quand même pas l'armement lourd dans, sur lesquels on se pose des questions sur comment on peut traverser un cours d'eau avec. Je pense que pour beaucoup de gens dans la région de Difa, ces groupes sont installés sur le territoire nigérien. C'est pour ça qu'ils peuvent mener des attaques. Merci Hassan Bouka d'Alternative. Issa Madougou, selon vous, qu'est-ce qui expliquerait le brusque réveil des attaques de supposés éléments de Boko Haram alors que la calmie était palpable euh, avec euh, même la levée de certaines barrières à Difa Merci, mais je, suis un peu sceptique quand vous parlez d'accalmie. Mais c'est parce que euh, nos forces de défense, chaque fois de sécurité, ont pris euh, vraiment le devant en repoussant les attaques. Il n'y avait pas réellement eu d'accalmie. Mais c'est que nos forces de défense et de sécurité ont eu vraiment euh, le dessus sur eux à chaque fois. Maintenant, pour le cas de Blabrim, mhm. il y a beaucoup de commentaires. Mais certes, il y a un fait que les populations de la localité ont eu à, témoigner, puisque depuis quelques jours, ils ont eu à alerter les militaires pour dire qu'il y a des, déplacements au niveau de la zone, des, gens, des gens qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans la localité. Mhm. Et c'est ce qui, le plus souvent, le fait de ne pas prendre en compte les informations. Parce que dans un contexte d'insécurité, toute information est utile il faut l'exploiter à fond pour voir comment euh, on peut essayer de, de contrecarrer la menace. Selon vous, beaucoup euh, d'attaques ont eu lieu parce que les forces armées ne tiennent pas en compte des témoignages des populations. Les, populations ne sont même pas prises en compte, par exemple, quand les populations parlent. Parce qu'il y a un problème que moi je voudrais que ça... Euh, on a un peu quelques zones, du Niger qu'ils sont euh, également confrontés à ce problème de sécurité. Même les populations disent que le plus souvent, la difficulté, c'est qu'on ne les croit pas quand ils viennent apporter des informations. Et les gens viennent avec des idées préconçues pour dire que les populations eux-mêmes, ce sont les bandits. Dans ces zones-là, tous ces groupes-là ont un mécanisme de renseignement très puissant, plus que même l'État. Parce que dès que vous venez, vous arrivez dans cette zone, on sait qu'il y a quelqu'un qui... Eux, ils sont au courant. Ils savent et pourquoi tu es là. Ils sont informés, ils sont ce mécanisme de, de, de, de, de renseignement très efficace qui permet parfois aussi à ceux que ils anticipent. Et ils ont aussi, euh, c'est-à-dire, euh, comment on appelle, des complicités que même les populations ignorent qui est réellement. Parce Mais que vous tenez cette information qu'ils auraient des complices non, je n'ai pas dit forcément du cas de Blabrim, je parle des insécurités. Je ne mm. connais pas le cas de Blabrim, mais je parle de la, zone nord de la que je maîtrise un peu. parce qu'on parle de Blabrim euh, maintenant. Oui, ah, même, non, en fait, l'insécurité, comment ça se manifeste dans ces régions C'est pratiquement la même chose, mm-hmm. puisqu'il y a toujours des morts d'hommes. Parce que c'est notre pays qui est attaqué. Mm-hmm. Parfois, c'est des individus qui viennent du territoire d'autres pays qui nous attaquent qui viennent, non seulement ils s'attaquent au symbole de l'État, ils pillent les populations. Voyez-vous, c'est un peu, c'est la même chose que ça se passe. C'est pour cela qu'on devrait avoir une vision globale dans cette situation d'insécurité. Il n'y a pas seulement l'État qui devrait, nous-mêmes en tant que citoyens, nous devons contribuer. contribuer D'accord. avant de continuer euh, avec euh, Sur ce que Issa je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le fait que lorsqu'il lorsqu'une information est relayée par les communautés, il n'y a pas une réaction des FDS tout de suite. <clears throat> J'ai eu l'occasion de suivre un dialogue régional organisé dans la région de Difa euh, par Alternative Espace Citoyen. C'est une, <clears throat> c'est une rencontre qui a été présidée par le gouverneur de la région lui-même. Mm-hmm. Au cours de cette réunion, mais beaucoup de gens disent ce qu'Issa est en train de dire. Le fait que, en 4-5 ans, les gens ont eu l'impression qu'il y a des signes qui annoncent à peu près les, les attaques qui vont arriver. Et dès qu'il y a ces signes, les populations communiquent à l'autorité pour dire on pense qu'il y a des risques dans cette zone, on pense. Et plusieurs euh, informations qui ont été données par les populations ont été suivies d'attaques. Et donc, dès que ces signes apparaissent, les populations ont tendance à venir informer l'autorité. Mais il n'y a pas de réaction. Et du coup, je pense que ça décourage aussi un peu les gens qui pensent que euh, voilà, c'est de leur devoir de venir informer l'autorité, mhm. de leur qu'on informe l'autorité. Après, il n'y a pas de réaction et les attaques arrivent. Euh, et donc, finalement, je pense que ça décourage un peu. D'accord. ça, euh, la parole à Elijah Suleiman euh, d'abord. donc, le gouvernement n'a pas donné le nombre de victimes ennemies ni de bilan matériel. Avez-vous des chiffres sur le nombre d'assaillants neutralisés ou d'armes ou de véhicules saisis, emportés ou détruits Non. Vous savez, en fait, dans ce genre de situation, l'ennemi, il vient surprendre et euh, il, prend des dispositions pour aussi chercher à s'éclipser le plus rapidement possible l'autorité que ne peut que constater souvent les, dégâts et compter les, les morts. Il faut déplorer justement la gravité de cette situation et quand on vient jusqu'à 12 soldats, ça montre véritablement que ceux qui peuvent venir faire cela ont quand même une capacité de frappe euh, assez quand même euh, importante. Euh, donc c'est dire que dans tous les cas, on le sait, les terroristes donc agissent, préparent longtemps donc leur crime et maintenant ils prennent le bon moment pour venir effectivement surprendre. donc, il faut le déplorer. Tout à l'heure, il a évoqué un aspect important, la question de complicité des populations locales, plusieurs choses peuvent vous l'expliquer. Mhm. La première chose, d'abord, la pauvreté des jeunes désœuvrés. Ils peuvent être manipulés par, par exemple, on va t'acheter une moto, on va te donner de l'argent pour faire... Leur miroir, euh, absolument. ce qu'ils veulent. Et aussi, peut-être voir on euh, peut leur faire rêver que vous pouvez avoir tant de choses. Euh, moi, j'ai dit encore une fois ce qui m'a beaucoup marqué, c'est échanger avec un militaire qui, est resté Il m'a dit la jeune de dix fois, mais c'est que curieux, il dit euh, les populations, quand on dit qu'il y a une attaque, maintenant quand les militaires euh, viennent, euh, ils veulent vraiment avoir des témoignages de population, les gens ont peur non seulement des représailles, mhm. mais aussi dans la causerie, ils me disent aussi quelque part, il y a des gens qui sont connus dans la, dans la région, on connaît leurs parents, mais vous voyez, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'en réalité, non seulement, on le vit aussi au Nigeria, vous dénoncez quelqu'un, vous exposez votre vie parce que aussi quelque part euh, aussi la présence de l'État, euh, je veux dire souvent n'est pas n'est pas évidente. Et c'est pourquoi je pense, je pense que sur la question, que ce soit à Difa ou ailleurs, et je pense que les autorités dans leur discours, en tout cas, euh, ils, le disent, il faut penser véritablement la solution idoine justement, se lutter contre la pauvreté des gens qui font que nos jeunes en tout cas ne peuvent plus avoir envie de suivre des, des, fous, mais ils vont les dénoncer. Mhm. Mais aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est que même à Niamey, les gens peuvent venir frapper. Et sur cela, justement, on doit, on, doit tenir compte. Aucun État n'a assez de moyens, effectivement, pour, Voilà pourquoi, justement, la solution, il me semble t en tout cas, pour faire court, c'est véritablement de chercher, à, en tout cas, au niveau donc, de l'État, de créer les conditions justement pour que tout le monde puisse avoir des raisons de vivre effectivement, chercher à, développer euh, le pays et soi-même. Merci El Haj de Niger Inter et à Diado, journaliste de la radio et télévision Tambara qui vient de nous rejoindre. Bonsoir madame. Bonsoir. Donc euh, le ministère de la Défense euh, dit que les opérations de ratissage et de poursuite ont été engagées par la force multinationale mixte FMM pour rattraper neutraliser les assaillants qui se sont repliés euh, en direction du lac Tchad. Aurait-il pu traverser euh, avec euh, la montée des eaux ou bien deux jours après, est-ce que vous avez eu vent des résultats de, ces poursuites Par rapport donc à cette situation, je pourrais pas dire que j'ai eu vent en mhm. fait. est-ce que la poursuite a eu lieu Est-ce que l'armée a pu passer de l'autre côté pour euh, justement poursuivre euh, ces euh, Boko Haram, ces terroristes. Mais je pense qu'il y a également à se demander, parce que chaque fois quand il y a une attaque qui se produit, le gouvernement vient et dit tout simplement donc ceux qui veulent l'entendre qu'il y a des représailles. Mais on ne revient jamais nous dire ce qui s'est passé après ces représailles. Est-ce qu'ils ont été, on, a pu mettre la main sur ceux qui euh, sont venus attaquer euh, ces camps Est-ce que aujourd'hui, quelle est la disposition qu'ils ont prise euh, après donc ces représailles Il n'y a rien en fait. On, a tendance à, à, je pense bien des fois berner même le peuple sur cette situation. Quand je parle de berner, c'est qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de suite. Donc, et on est laissé à notre fin. Mhm. Voilà. Et ensuite, euh, il faut également euh, noter que euh, le problème donc d'insécurité dans la zone de Difa, c'est uniquement la population de Difa qui peuvent également essayer donc d'amener des solutions à ce problème. Donc quand je dis ça également, c'est parce que l'armée est partagée. L'armée mhm. est partagée. Il y a de l'autre côté des attaques, il y a de l'autre côté des populations qui se font enlever. Le 15 octobre seulement, il y a eu le maire de Kabelewa qui a été enlevé avec son épouse. Mhm. Et aujourd'hui, on assiste donc avant-hier à une attaque au niveau donc euh, du camp de Blabrine. C'est faute de renseignements ou bien tout simplement la population euh, ne veut pas euh, coopérer parce que au lieu, au lieu d'attraper les vrais terroristes, c'est en fait les pauvres citoyens, populations qui se retrouvent dans les prisons aujourd'hui. Nos deux invités l'ont dit, les populations contribuent, ils, ils, dénoncent, mais on ne les écoute pas. C'est ce que je suis en train de dire en fait. C'est parce que la population veut bien collaborer avec les forces de défense et de sécurité, mhm. mais quand tu as une information que tu veux passer ou bien que tu passes au niveau donc de ces forces de sécurité, on te prend pas en compte. Oui, on te prend pas en compte ou bien si tu fais pas attention, tu risquerais d'aller en prison parce que pour eux peut-être c'est toi-même le véritable les combats auraient duré euh, deux heures, euh, tant largement suffisamment aux avions de Niamey pour euh, atteindre là-bas. Je, je, veux venir à toi, Issa. Ne t'en fais pas. Ton tour viendra. Le temps de donner la parole à Hassan Boukar. Comment comprendre que cette opportunité n'ait pas été exploitée? Le fait que les combats aient duré deux heures, comment est-ce que ça, ça peut s'expliquer? ben, Normalement, ça ne s'explique pas. Parce que euh, deux heures, euh, comme vous le dites, si euh, un renfort devrait arriver, en deux heures, quand même, un renfort a le temps d'arriver mhm. à, Blabrine mhm. Mais pas seulement les forces aériennes, hein, vous avez quand même une compagnie militaire en Guigui, Ça, c'est, c'est, plus proche. Très, très ancien. Alors, on dit 40 km, c'est pas loin, 40 km normalement. Alors, Évidemment, c'est des choses euh, qui renvoient à comment l'armée gère cette question de, sécurité. Mm-hmm. Mais euh, au niveau local, les populations ont presque l'impression que, comme il s'est dit, quelqu'un ne fait pas son travail. C'est-à-dire, euh, normalement, euh, les gens s'attendent peut-être à des meilleurs résultats sur le plan de la sécurité qu'aujourd'hui. Mhm. On voit la facilité avec laquelle on peut venir euh, enlever n'importe quel citoyen de la région de Difa. On voit la facilité avec laquelle un camp militaire est venu et attaqué par ses assaillants. Ils font 10 morts, 8 morts. Et, et donc, la seule chose que le gouvernement a fait, c'est de faire de la communication pour, dire, écoutez, ils nous ont attaqué ils ont tué 10 personnes, mais on n'a pas croisé les bras. En fait, c'est un peu ça, c'est la communication mhm. autour de cela. Et donc, mais la situation aujourd'hui, elle est extrêmement grave. Je pense que euh, en 5 ans, on a vraiment perdu énormément d'éléments de FDS dans ce pays, sur ce, sur ce conflit-là. On ne sait pas quand ça va finir, d'autres pourront encore tomber. Et donc, du coup, il y a un vrai questionnement aujourd'hui sur notre stratégie mhm. face à cet ennemi. Euh, mhm. Je pense qu'Alaïs Sulman l'a rappelé, ce n'est pas une armée conventionnelle, euh, mais je pense que on doit être capable aussi de développer une stratégie, une réponse appropriée face à l'ennemi. Euh, alors, si on considère que la réponse militaire n'est pas suffisante à elle seule, il faut aussi accompagner par les autres moyens de façon à ce qu'on puisse trouver la solution. Mais là, le fait que pendant presque deux heures, comme on le dit, il y ait des combats sans qu'il n'y ait un renfort, pour ce groupe, ça montre aussi des choses qui suscitent énormément d'interrogations de la part des citoyens. D'accord. On va parler d'autres choses dans ce forum au Niger euh, pour assister les personnes vulnérables ou affectées par les conflits. Un plan de réponse humanitaire est mis en place euh, chaque année. Celui de 2019 euh, n'est financé qu'à 50% du budget requis selon OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires. Cependant, depuis le début de l'année, la situation humanitaire s'est détériorée, a relevé Félicité Chibindat, la coordinatrice par intérim des affaires humanitaires du Niger. Selon elle, il y aurait une augmentation des besoins des personnes affectées mais pas assez de réponses euh, adéquates. Donc, c'est dans ce sens que OCHA a organisé la semaine dernière à Niamey un atelier national d'analyse intégrée des besoins et réponses euh, humanitaires. Tout d'abord, euh, Issa Madougou, journaliste de la radio Ténéré, quelle lecture faites-vous des propos de la coordinatrice par intérim d'OCHA Comment expliqueriez-vous ce qu'elle a qualifié de réponse adéquate D'abord, moi, je suis dans la catégorie des Nigériens qui sont contre cette façon de dire que nos il faut venir nous assister toujours. Parce que quand on prend l'argent que ces gens disent qu'ils ont investi pour la réponse humanitaire, on prend le cas de DIFA. Après cinq ans qu'ils sont là en train d'investir, l'argent qu'ils ont, ils disent qu'ils ont investi, peut même faire donner à chaque population euh, une villa, mais avoir les bonnes, bonnes conditions de vie. Mais aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils disent qu'ils sont en train de faire, il y a des problèmes d'eau dans les camps de déplacés. C'est ce qu'elle dit que c'est pas bien agencé, c'est pas bien coordonné. Soyons très clairs sur certaines mhm. euh, thématiques. Par exemple, aujourd'hui, dans ce cas de réponse humanitaire, on parle des déplacés internes, les retournés et les réfugiés. Mhm. Alors, les, déplacés sont là, les internes, qui sont nigériens, qui quittent une localité pour venir s'installer dans une autre localité. Il y a les retournés qui sont là, qui ne savent même pas là où il faut aller. Il y a aussi ces réfugiés tout, le temps, ça a été démontré que les camps de réfugiés doivent être minutieusement contrôlés. Doivent être minutieusement contrôlés. Pendant qu'on apporte plus d'appui aux camps de réfugiés, les camps de déplacés sont laissés à leur propre sort. Regardez ici, quand prenez le cas de la région de Tilaberi, ici même à Ayoru, dans la périphérie de Ayoru, les populations de, de, euh, euh, sont là, qui ont fui la, ils ont, fui, l'insécurité pour venir, à, pour venir. Ils sont installés là-bas. Qui les a pu Qui les a pu Ils ne sont pas dans le confort, mais pendant que ce temps, on prend en charge intégralement des camps de réfugiés qui sont parfois, qui sont parfois selon des études menées par des chercheurs. Les camps de réfugiés ont été toujours des nids de, euh, de, terroristes. selon vous, les humanitaires prestent plus attention aux réfugiés qu'aux déplacés. Mais oui, parce que cette situation n'est pas coordonnée. Par exemple, aujourd'hui, quand vous, vous prenez les cas de vol de véhicules qui se passe les gens parlent plutôt de, de livraison de véhicules aux terroristes, puisqu'il y a des zones où les gens se retrouvent, soi-disant qu'ils sont en train d'apporter une, solution humanitaire. Pourtant, la situation se dégrade. Dans un camp où les gens n'ont même pas de sanitaire, l'eau même, si on me dit chaque année qu'il y a des millions. Par exemple, ils disent que c'est des, millions de dollars qui ont été dépensés. Pourquoi il faut que nos États aussi s'impliquent Parce que cette question relève aussi de la souveraineté. Parfois, il faut que nous aussi, nous créions les conditions pour assurer le minimum à nos populations. Parce qu'on ne peut pas toujours... vous. Oui, on ne peut pas toujours attendre de quelqu'un qui vienne nous sauver. OK. Donc, euh, El Suleiman, qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, cette inadaptation de la réponse humanitaire euh, auprès des personnes concernées euh, ben, Quelque part, il faut être aussi vigilant euh, il y a souvent la mauvaise gestion de ces ressources au niveau même de ces institutions qui sont censées justement secourir euh, ou aider les populations. Euh, aussi, c'est des, des, critiques qui ont relevé que souvent leur train de vie, à savoir le confort qu'ils créent dans l'achat de belles voitures, dans les frais d'émission, euh, bref, euh, il y a que quand on fait la part des choses, ce qui devait arriver au, à, la destination finale aux populations, à comparer avec euh, aussi les, charges de, de, de, services ou de personnel. Et moi, je pense que quelque part aussi, comme il l'a dit il pour une question de souveraineté de l'État, l'État doit prendre aussi des dispositions pour auditer, contrôler les, ces ressources qui sont destinées, en tout cas, aux populations nigériennes. C'est aussi des, ressources publiques, que ce soit d'autres États ou d'autres organismes internationaux qui, qui vont aider euh, ces populations. Mhm. C'est aussi des gens publics. Et pour conséquent, d'une certaine façon, il va falloir que dans commun accord, que, en tout cas qu'on puisse savoir euh, effectivement si cet argent est utilisé. De l'autre côté aussi, le danger, euh, comme il l'a dit, c'est que souvent, c'est aussi des foyers où des terroristes peuvent effectivement venir se, se ravitailler en tout cas euh, trouver euh, un cadre aussi euh, d'action, hein. mm-hmm. puisque vous voyez aujourd'hui, quand on va vous parler le nombre d'ONG qui sont à DIFA, on se pose la, question que véritablement, ces ONG-là, si véritablement elles sont efficaces, elles ne pourraient pas développer. <laughs> Plus de 60 hein. En tout cas, qu'il n'y ait plus au niveau de ces, de ces réfugiés, en tout cas, que les gens puissent avoir euh, vraiment l'essentiel. Mhm. Mais bon, euh, je pense que c'est des, questions qu'il faut euh, véritablement suivre de, très près. nous sommes interpellés aussi, il va falloir peut-être qu'un de, aussi, de nos devoirs, c'est aussi d'aller sur le terrain véritablement voir ce qui se passe concrètement, peut-être qu'on trouvera mieux. Mhm. D'accord. Merci, Elay Suleiman. Madame Maimouna Djado, selon vous, est-ce que la restriction de l'accès aux humanitaires dans les zones de conflit freine leur action sur place Bon, je, je pense que c'est vrai, ça peut freiner leur action sur place, mais je pense que également euh, en ayant l'envie ou bien en ayant donc euh, euh, cette position de financement donc de ces camps de réfugiés ou de déplacés, je pense que le minimum c'est d'abord de de voir ce qui ce que véritablement ces populations ont besoin. Donc le financement ne peut se faire que cela. Et quand on regarde également, il y a des ONG aujourd'hui que l'État même ne contrôle pas. L'État même ne sait pas, en fait, ce que ces ONG sont en train de faire en termes même. Euh, pourtant, l'État doit savoir. Oui, bon, c'est vrai, l'État doit savoir, mais je remercie et je félicite également cette décision du ministre de l'Intérieur où il faut désormais que les ONG, en se déplaçant, qu'il y ait également le cortège, l'escorte en fait militaires qui les accompagnent. Parce que des fois, euh, on ne peut pas savoir qu'est-ce que euh, véritablement ces ONG apportent euh, à ces populations qui sont dans les camps de réfugiés. Où, ils vont Où ils vont Est-ce qu'est-ce qu'ils font Parce que des fois, on supposerait également que certains ONG, parce que je dis supposerait que mhm. certains ONG puissent également faire faire acheminer donc euh, certaines choses qui peuvent également aider non pas les réfugiés mais les, ennemis de l'État. Donc en fait c'est vraiment euh, cette situation, je pense que c'est à revoir et comme euh, l'a si bien dit la, la coordinatrice donc c'est extrêmement euh, lamentable qu'aujourd'hui ces populations ne puissent pas euh, véritablement rentrer euh, dans le droit humanitaire. Vraiment parce que l'argent est consacré au droit humanitaire de ces populations ces populations doivent bénéficier. D'accord. Merci, Madame euh, Hassan Boukar de la radio alternative. À votre avis, est-ce que ces aides parviennent réellement aux personnes ciblées Sinon, comment apporter euh, des corrections Je pense que euh, là, les, mes prédécesseurs l'ont déjà dit. Hein. je pense que l'État doit s'impliquer pour avoir un meilleur regard sur, sur justement ce travail des, des ONG. Euh, je l'ai déjà rappelé une fois, euh, cette polémique qui est née entre le programme alimentaire mondial et le gouvernement nigérien pendant la Ve République, où le gouvernement disait que euh, il y a des fortes sommes qui sont annoncées, mhm. mais que le gouvernement lui-même ne voit même pas une infime partie de cette somme-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est mobilisé par les humanitaires et comme on l'a dit, on a l'impression que les humanitaires se portent mieux mais en tout cas mieux que les personnes euh, qui sont censées protéger. Et donc ça pose un vrai problème. D'abord, ça pose un problème éthique. Ça pose un problème éthique pour ces humanitaires, c'est-à-dire vous partez là où il y a des crises, où les gens jouent la survie, mais on a l'impression que c'est vous qui vous portez mieux. Bon, ça pose quand même un problème éthique. Deuxièmement, ça se passe sur un territoire souverain normalement. Mhm. Le fait que l'agent ne sorte pas du trésor public, euh, ne dédouane pas l'État de son obligation d'avoir un meilleur regard. Bon, c'est vrai aussi que chez nous, les États souvent, ils, veulent tout contrôler, c'est-à-dire euh, contrôler dans le sens de, euh, comment dire, de réprimer. Il faut aussi, les ONG, il faut quand même reconnaître ceux qui sont dans l'humanité. Il un travail très important. Hein. Euh, ces structures sont parfois là où l'État lui-même est absent. Mm-hmm. Euh, ils ont parfois une crédibilité qui leur donne l'occasion de mobiliser des ressources à l'international. Donc, on n'est pas en train de dire que leur présence n'est pas utile. Non, bien au contraire, leur présence est utile. Mais il y a aussi une obligation de rénovabilité vis-à-vis du pays dans lequel on a eu. Mais aussi, les ONG parlent beaucoup de résilience. Alors, si vous prenez la région de Difa aujourd'hui, regardez euh, toutes ces sommes, tous ces moyens financiers qui sont mobilisés dans la zone. Mais alors, où, est la résilience Par exemple, vous avez des collectivités territoriales avec lesquelles ces humanitaires ne travaillent pas. Est-ce qu'on peut réfléchir, par exemple, à un mécanisme où, de façon à ce que lorsque les ONG partent parce qu'elles considèrent que les populations se portent mieux, que les collectivités puissent aussi continuer à faire des choses. Mais il n'y a pas cette résilience. Et donc, les ONG sont là pour faire directement les choses. Les jours s'en vont, tout s'arrête. Parlons santé. Dans ce forum, euh, le ministre de la Santé publique a été interpellé samedi par les députés. Les élus nigériens estiment qu'il y a un certain dysfonctionnement du système sanitaire, notamment dans la non-effectivité de la gratuité des soins. Je vous propose euh, de suivre euh, Dr Ilyasu Idi Mainasara, ministre nigérien de la Santé publique, à ce propos. Par rapport à la gratuité de soins, c'est vrai, un moment, il y a eu un retard, il y a eu un arrêt même de paiement, mais il y a eu la reprise de paiement. Aujourd'hui, ça fait pratiquement près de six mois où chaque semaine, 200 millions sont débloqués pour envoyer dans les centres de santé pour accompagner la gratuité. Aujourd'hui, quand tu prends la maternité à Gazobi, tu vas trouver un malade venir avec 5-10 accompagnants. C'est tout à fait normal qu'on trouve la surcharge et que le budget qu'on alloue à la maternité soit insuffisant. Et mieux, on a créé quatre pôles d'intervention gynéco-obstétricale. En plus de la maternité ça à Gazobi, CHR à on fait les césariennes. Au niveau du district de Gawé, on fait les césariennes. On a ouvert tout récemment un centre de césariennes à Foulonkwara. Et tout ça, là, c'est pour décharger la maternité Issa Gazobi. Et quand vous prenez Niamey, on a 60 CSI qui fonctionnent 24 heures sur 24. Les gens pensent que les CSI, là, sont destinés aux femmes et aux enfants. Non, on peut prendre en charge les enfants, les femmes, les adultes, tout le monde. Voilà, vous venez d'entendre le ministre de la Santé, Iliassou Idi Mainassara Issa Dougou, journaliste de la radio-télévision Ténéré. Quelle est votre analyse euh, à ce sujet entre inquiétudes soulevée par les élus et la réponse ainsi apportée par le ministre de la Santé C'est bien d'interpeller euh, le, ministre pour évoquer cette question aujourd'hui qui occupe les débats parce que quand euh, les Nigériens ne peuvent plus aller se soigner comme ça, dans les centres de santé. Pourtant, on sait qu'il y a un dispositif qui a été mis en place par l'État pour assurer le minimum par rapport à la couverture sanitaire. C'est normal de se poser des questions. Mais moi, ce qui m'étonne, est-ce qu'aujourd'hui les députés sont prêts à aller loin C'est-à-dire Est-ce que réellement, après cette interpellation, il y aura des propositions concrètes qui seront faites au gouvernement Parce qu'il ne suffit pas de faire le show seulement pour que les gens entendent non, on a interpellé le, le ministre par rapport à cette question. Les gens attendent des solutions. Parce que c'est ça, on a l'habitude aujourd'hui. C'est comme si on veut amener le membre du gouvernement à une parade. C'est ça aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment du, concret dans ce que font beaucoup de gens. Moi, je pense que cette question, le ministre a donné sa part de vérité. Est-ce que aujourd'hui ces députés se sont donnés les moyens pour aller vérifier sur le terrain Parce que en écoutant bien celui qui a interpellé, et les réponses du ministre, c'est qu'on sent qu'il y a un déphasage. mais oui, c'est évidemment. Parce qu'il y a certaines vérités. Il faut vérifier d'abord. Peut-être qu'ils le feront. Non, mais attendez, moi je pense que quand on, on parle, un député, il ne parle pas à son nom. Il, parle, au nom des populations. C'est pour cela qu'il faut éviter parfois certaines questions. Quand vous les évoquez, automatiquement, qu'est-ce que ça va susciter au sein de l'opinion L'espoir. Alors, quand il n'y a pas de suite, Voyez-vous comment ça fait mhm. C'est pour cela qu'il y a des questions, il ne faut pas les prendre à la légère pour que ça soit seulement de la politique. Moi, je pense que c'est vrai aujourd'hui, il y a des difficultés. L'État fait des mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. 200, il parle de 200, 200 millions par euh, semaine. par semaine, ce n'est pas suffisant. Mais compte tenu qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on parle que euh, les secteurs sociaux sont en mal parce qu'il y a la sécurité qui prend une grande partie du budget mais néanmoins, l'État aussi devrait concentrer d'efforts pour que au moins les Nigériens puissent oh, se soigner dans les normes. Je reviens vers vous. Moi, je pense que là, ce a dit est, très clair. Là, le ministre dit à peu près 200 millions par semaine. Euh, alors, en six mois, je pense qu'il a parlé de six mois. Si vous faites un calcul rapide, en six mois, ça fait à peu près 4 milliards 800 millions. Alors, l'année dernière, dans le budget, l'ensemble du budget qui a été voté, c'était 5 milliards et demi il y a eu un collectif budgétaire dans lequel le gouvernement a amputé 4,8 milliards. Donc la communication du ministre, est insuffisante. Il faut qu'ils disent d'où vient cette enveloppe, puisque l'enveloppe, ils l'ont déjà grignotée, grignotée. Mais aussi pire, cette année, Qu'est-ce qui est prévu dans le budget J'ai vu 2 milliards et quelques d'appui aux collectivités, etc., dans le cadre de la gestion de la gratuité. Il y a peut-être d'autres montants qui vont arriver. La question fondamentale aujourd'hui, est-ce que le Niger veut oui ou non faire la gratuité Il y a une erreur qui a été commise sur laquelle il faut absolument revenir. Pendant la 5 République, lorsqu'on a lancé l'opération de la gratuité des soins, on n'a jamais su combien ça coûtait. Mais en quoi consiste même ce concept de gratuité des soins La gratuité est un on a dit les enfants de 0 à 5 ans. On parle de la césarienne, euh, du traitement du cancer gynécologique. En fait, il y a un certain nombre de choses qui est mis dans la gratuité de soins. L'enjeu, c'est que les services de santé font la gratuité, émettent une facture, puis le gouvernement les rembourse, normalement dans un délai de trois semaines à, euh, un, mois. Donc, c'est ça le principe. Mais dès lors qu'on n'a pas su combien ça coûte, je pense que le premier prévision budgétaire tourne autour de 600-700 millions de francs. On est arrivé jusqu'à 8 milliards. Mais le gouvernement a dégressé, dégraissé l'année dernière, même dans les budgets initial, ce qui était prévu, c'était 5 milliards et demi. Donc la question fondamentale, encore une fois, si on veut continuer à faire la gratuité, il faut savoir quel est le public cible, c'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui, combien d'enfants de 0 à 5 ans, combien de femmes sont concernées. Ça suppose que ça a un coût sur le budget. Mhm. Il faut savoir comment retrouver ces ressources, puis faire des projections en tenant compte de la projection de la population cible. Ça, il faut absolument arriver à le faire. Mhm. Mais aujourd'hui, il y a un tâtonnement. Pourquoi ce tâtonnement Le gouvernement veut faire une politique de protection sociale, quelque chose de plus large qui dépasse théoriquement les publics cibles actuels de la gratuité. Donc, si on veut le faire, ils veulent fondre la gratuité dans une politique de protection sociale qui, elle, ne bouge pas parce que la loi elle-même a, du mal à bouger. Et donc, aujourd'hui, quand le ministre dit 200 millions par semaine depuis presque 6 mois, ça fait presque 5 milliards cet argent, euh, sa communication est insuffisante. C'est bien qu'on sache d'où ça vient, puisque les enveloppes qu'il prévoit, ça n'atteint même pas ça. J'espère que le ministère va vous aider. Juste pour terminer, comme il a dit, pour les députés aussi, il y a quelque chose qui est très facile. Mais c'est eux qui votent c'est c'est qui vote les, budgets. Le gouvernement ne fait, théoriquement, il ne fait que de la proposition. C'est lui qui propose. C'est vrai, il y a des conditions, la loi bien cadrée le contexte dans lesquels, les conditions dans lesquelles on adopte, mais les parlementaires, lorsque vous faites cette interpellation, vous faites le constat il y a des choses qui doivent être faites. Allez-y plus loin. Mhm. Merci euh, Abba. Donc Elhaj Suleiman, depuis des années, les médias rapportent que même euh, les simples gants sont souvent fournis par les femmes en instance de césarienne. Comment alors euh, parler de gratuité des soins dans ces cas Franchement, pour avoir personnellement m'intéressé à la question, j'ai fait un article sur ce sujet que j'ai dit, en tout cas sur la base les renseignements vraiment des sources, euh, je veux dire, en tout cas, euh, bien autorisées. Mhm. le vrai problème, c'est que l'État ne s'assume pas en ce qui concerne la gratuité au niveau des centres mères et enfants. Mhm. Et vous, savez, ces centres mhm. mères et enfants qui sont créés un peu partout à, la région, ils assurent déjà euh, des kits euh, la, pour la césarienne, pour donc les, les, les, enfants, ils font des efforts parce en fait, ils arrivent à engranger quelques fonds. Mhm. Mais c'est insuffisant par rapport à ce qu'ils doivent faire. Euh, on a une vient pour il faut vraiment qu'il y ait un kit qu'elle ait ou, pas les moyens. En tout cas, on a dit c'est gratuit, c'est les Nigériennes. Euh, donc, ça, de vraiment, j'ai au moins trois, dans la maternité ici, j'ai contacté ici, à région, j'ai contacté deux. Euh, et j'étais dans, euh, dans une, j'ai longuement, en tout cas, euh, euh, euh interrogé les, en tout cas les médecins et les, gens qui travaillent, Ce que la gratuité ne suit pas. Il y en a qui attendent trois ans, cinq ans, il n'y a rien qui qui, est venu. Et maintenant, la question que se pose, c'est pourquoi justement il faut auditer aussi ce, ce message-là. Il ne faut pas se laisser berner par la communication, un autre aspect qui avait effectivement fait l'objet, en tout cas, des débats, c'est les évacuations sanitaires. Là aussi, euh, nous venons de faire un article euh, sur cette question où véritablement on s'est rendu compte que il y a que c'est véritable une, vraie nébuleuse où il se passe, c'est vraiment révoltant de le dire, qu'il y a des gens qui font du business au détriment de la santé des populations. Ils et ça doit s'arrêter. Et j'ai lis que sur la base de la Cour des comptes, dans ce rapport 2015-2016, elle a fait un rapport, elle a examiné, elle a fait des propositions et des recommandations pour arrêter cette situation, mais on n'a pas mis en œuvre de toutes ces recommandations et ça continue. Autre chose, par exemple, sur la question de la gratuité. Mhm. Moi, personnellement, j'ai interpellé deux députés. Quand j'ai dit le premier, il hésitait. J'ai dit au, au, second, faites quelque chose. Voilà le vrai problème qui se pose mais vous voyez, soit on est là pour euh, vraiment les populations qui, qui, nous ont élus, soit on est là vraiment pour s'amuser, en tout cas pour faire plaisir à X ou à Y. Mais selon Donc, vous, qu'est-ce qui explique ce dysfonctionnement dans, dans ce domaine précis-là de la santé il faut, euh, c'est pourquoi il faut éviter. Mhm. Soit au niveau de l'État central, comme a dit au niveau du budget, ça n'a pas été, donc conséquence, ça n'a pas été, ça n'a pas été décaissé, mhm. parce que aussi, on peut prévoir, mais au niveau aussi du ministère des Finances, ils peuvent aussi bloquer l'argent. L'argent aussi peut être sorti du ministère des, des, des, des Finances. Par exemple, sur, la, sur les évacuations sanitaires, j'ai appris, il y a un fonds qui est logé au niveau du ministère des Finances, mais les gens du ministère de la Santé n'ont pas le droit de l'utiliser pour évacuer les gens, mais ils le font. Donc, il faut que vraiment la question de la santé, par exemple la question de, qui fait euh, actualité aujourd'hui, le, le, cancer, c'est une maladie assez grave euh, si vous n'avez pas, vous avez un parent, vous avez quelqu'un qui, a le cancer, on ne doit pas s'amuser avec ces, ces, questions, franchement. Merci beaucoup. C'est aussi le fait que l'État ne rembourse pas les factures. À un moment, les services sanitaires ont accumulé des impayés et donc, ils sont bloqués aussi parce que l'État ne rembourse pas. Ils ont déjà fait la gratuité, ils à la facture, mais le remboursement. Et après, ils ne font plus la gratuité. Madame euh, Maimouna Jado, mm. quelle euh, appréciation avez-vous faite sur place Je ne sais pas si vous avez fait un constat sur place de cette gratuité des soins ici à Niamey. Bon, le constat, on en fait chaque jour de toutes les manières Concernant bien sûr cette euh, affaire de gratuité des soins, la gratuité des soins, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je pense que les syndicats du secteur de la santé ont toujours dénoncé le fait qu'il n'y a pas de gratuité. Puisque si on parle de gratuité aujourd'hui, une femme qui va subir une césarienne ne peut acheter les gants ou tout simplement les produits qui vont l'accompagner dans euh, euh, cette césarienne. Parce que quand on parle de gratuité, tout le nécessaire doit être fourni à cette dame pour qu'elle soit à l'aise avant et après la césarienne. Mhm. Aujourd'hui, il n'y a pas question de ça. Également, que ça soit au niveau donc des enfants de 0 à 5 ans, la gratuité, ça n'existe pas parce que aujourd'hui, les femmes qui vont dans ces centres de santé pour euh, soigner leurs enfants, aujourd'hui se retrouvent avec des ordonnances pour des petites choses qui peuvent être donnés sur place, mais ce sont les parents qui doivent les acheter. Donc d'ici, on ne parle pas de gratuité. Et je pense quand on veut faire du sérieux, quand on veut faire la gratuité, il faut également essayer d'assainir le secteur de la santé. Le secteur de la santé a plus besoin qu'on mette les yeux sur ce qui se passe concrètement à leur niveau. Parce que là, on parle de difficultés. On parle également de manque de médicaments. Je l'ai dit ici, à l'occasion donc euh, du forum passé, j'avais évoqué le sens que on ne peut pas faire de budget sans tenir compte des secteurs sociaux de base. Et les secteurs sociaux de base, c'est la santé et l'éducation pour un pays, pour aller vers le développement. Comme le Niger. Comme le Niger, voilà. <laughs> Donc, et je pense que réellement, réellement, cette situation, c'est pas la première fois que les députés interpellent le ministre de la Santé à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire qu'il y a Anguille Souroche également. Est-ce que les députés aujourd'hui qui interpellent le ministre de la Santé, c'est pour faire divertir également euh, la population Est-ce qu'il y a une suite à donner par rapport justement à cette gratuité Mais ça, ça reste uniquement par des déclarations. Et, c'est ça, aujourd'hui, ils ont rendu public une déclaration, mais la population ne mange pas la déclaration. Et la population a besoin de médicaments. C'est ça pour aller vers la gratuité. C'est a... il faut les 30 secondes. pas, parfois, quand ils font leur sortie médiatique, ce n'est pas au nom, au nom des populations. C'est Mais moi, il y a deux choses que je comprends pas dans cette affaire. Par exemple, quand on dit... Euh, brièvement. Oh, brièvement, on dit la gratuité des siens et des soins il y a un abus aussi pour les cas de césarienne. Parce qu'on sait qu'on devrait envoyer une facture à l'État. Il y a des gens qui abusent aujourd'hui dans les maternités, dans les centres de santé. La personne peut accoucher d'elle-même, mais comme il y a la gratuité, c'est aussi une mafia. Ah. Ils anticipent, ils font, ils envoient, mais il n'y a pas de contrôle. Aujourd'hui, c'est comme ça, on est en train de rendre beaucoup de femmes euh, stériles et limiter leur euh, euh, fécondité. Parce que après, un nombre de césariennes, elle ne peut plus donner d'enfants. C'est pour cela qu'il faut ce contrôle. Quand, et d'ailleurs, pour finir, on parle du Niamey. Moi, c'est quand le ministre. Mais ce n'est pas Niamey seulement. C'est tout, le, Niger, On parle qu'on on a fait, on a fait à on a fait Est-ce qu'on a pensé par exemple aux populations de Bambay. À Bambay, là, il n'y a pas de femmes ou bien quoi. A-t-on pensé aux populations de Ngingimi A-t on pensé aux populations de On va poser la question ah, au ministre de la Santé. Merci, chers cher invité, de nous avoir honorés de votre présence ici ce soir. C'est ici que prend fin le forum de la presse de ce vendredi 1er novembre 2019. Nous étions avec Maimouna Diado, journaliste à la radio et télévision Tambara, Elhaj Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter, Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré et Hassan Boukar de la radio alternative. Merci à vous, chers auditeurs des 41 radios partenaires du studio Kalangou pour votre attention. Rendez-vous à partir de 17h samedi et dimanche sur les ondes de nos radios partenaires pour l'actu des jeunes, tous à la FADA, suivi des forums en Hausa et en Zarma. C'était Raylet Soumana à la modération et Seigne Isaka à la technique. Au revoir.